le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou toujours sur le studio Kalangou. Monsieur Dam, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou présenté par Nafisa Adam Sirfo. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés à Niamey et relayés à travers une vingtaine de radios partenaires dans les huit régions du pays. Pour ce soir, voici ce qui fera l'essentiel de ce forum. En premier lieu, les élections présidentielles se tiennent aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Qui des deux candidats succédera au président sortant Barack Obama, à savoir la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump. Vous entendrez la réaction de quelques citoyens nigériens ainsi qu'un bilan du mandat de Barack Obama en matière de coopérative avec l'Afrique par deux sociologues. Nous parlerons dans ce forum de la journée internationale de l'écrivain africain célébrée hier 7 novembre. Ici au Niger, cette journée est passée presque inaperçue selon Amadou Lampo, auteur et metteur en scène. Vous l'entendrez ainsi que le cri de cœur d'un jeune écrivain en herbe face au manque des maisons d'édition au Niger. Enfin, nous irons à Marrakech, au Maroc, où les travaux de la 22e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP22 ont officiellement démarré hier 7 novembre. Voici donc pour les titres. comme annoncé, nous ouvrons ce forum avec la COP22 à Marrakech au Maroc. Après l'ouverture officielle hier, le groupe a dit des 77 qui réunit les pays les moins avancés s'est réuni ce matin à 22 avant le début des négociations. Les pays membres ont partagé leurs positions respectives et tenté de trouver une ligne commune. La synthèse de cette rencontre avec notre envoyé spécial à Marrakech, Alassane Akouzi. 33 pays africains sont représentés dans le groupe des 117 qui avait joué un rôle prépondérant durant la COP21 en défendant la voie des petits États et des pays les moins avancés. Le G117, amené alors par la Chine, avait imposé la notion de responsabilité différenciée dans les accords de Paris, permettant de mettre en œuvre concrètement le principe de pollueur-payeur et de reconnaître la responsabilité historique des pays industrialisés dans le réchauffement climatique. Le G117 souhaite maintenir la pression pour cette COP22 et obtenir notamment les actions concrètes de financement pour développer les projets d'atténuation et obtenir les transferts de technologies et de compétences. Idrissa Samdé, membre du groupe d'experts des pays francophones les moins avancés. La semaine dernière, on a eu deux jours de, préparation du groupe africain pour voir de quel sens nous allons euh, parler d'une seule voix au niveau euh, de cette COP-là qui a commencé hier. Au niveau des sous-régions, chacun quand même a, donné euh, les activités menées depuis la COP21 jusqu'à maintenant et les préoccupations sous-régionales. Nous avons reversé euh, ces mêmes même débat aussi au niveau des pays les moins avancés que la majorité de ces pays les moins avancés se retrouvent en Afrique. Le groupe ad 117 n'aura cependant peut-être pas le même poids qu'en décembre dernier lors des accords de Paris. La Chine, poids lourd qui avait accepté de défendre les petits États en contrepartie de partenariats économiques, n'est aujourd'hui plus considérée comme un pays en voie de développement. Alassane Kouzi Mamadou, depuis Marrakech pour le studio Kalangou. Toujours dans le domaine de l'environnement, une Nigérienne a été honorée lors des African Routing Awards organisés par le Land of Africa Business qui se sont déroulés du 19 au 23 octobre 2016 à Paris. Une rencontre qui a fait découvrir la nouvelle classe de jeunes entrepreneurs issus de tous les milieux, prêts à contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du continent. Mariama Maman, cette Nigérienne fondatrice de Jassigren, a été le coup de cœur du jury pour la pertinence de son projet. Sur quoi porte exactement le projet Je vous propose d'écouter Mariama Mamman. Bonjour, dites-nous euh, qui est Mariama Maman. Bonjour, Mariama Maman est une euh, jeune fille avec beaucoup d'enthousiasme pour apporter le développement durable au Niger. Et dans ce élan, je me consacre nuit et jour pour l'atteinte des objectifs euh, durables et aussi l'insertion de la jeunesse dans le développement. Quel a été votre parcours avant d'arriver à ce succès tout d'abord, euh, après l'obtention du baccalauréat série 2 euh, à Zender au LAKD, euh, je suis venue à l'université Abdoumouni où j'avais commencé un cycle bachelor, licence. Donc j'ai obtenu une licence en biodiversité et gestion de l'environnement en 2013. Suite à ça, j'ai été reçue à l'Institut international de l'eau et de l'environnement où je continue actuellement dans le cycle ingénierie assainissement. Et tout au long de ce parcours, j'ai essayé d'être une personne vraiment qui peut inspirer d'autres personnes au changement parce que je l'ai toujours dit, le changement commence par moi-même. Donc euh, on ne doit pas attendre de venant de quiconque pour changer les choses. Maria Mamman, vous êtes fondatrice du projet Jassi Green qui a été le coup de cœur du jury lors des African Routings Awards organisés par le Land Africa Business à, Paris. Alors, parlez-nous euh, de ce, ce projet, le Jassi Green. Le projet Jassi Green est parti d'une analyse très très pertinente que j'avais faite puisque pendant que j'étais ici au Niger, licence biodiversité et gestion de l'environnement. J'ai eu vraiment étudier le fleuve Niger, qui est mon favori d'ailleurs dans les ressources naturelles du Niger. Et vraiment, j'étais écœurée d'arriver au Burkina que le même problème de la gestion d'eau sévit. Alors j'ai saisi l'opportunité de la formation que Deux Yeux nous offre, qu'on appelle le parcours entrepreneur, durant lequel, durant neuf mois, on nous apprend comment élaborer le business plan. Et là, je me suis donné à fond pour pouvoir euh, élaborer ce projet Jassy Green. Et je suppose Jassy Green a fait déjà sa preuve parce que au bout de, ce parcours, un concours a été organisé à deux yeux et donc je fus lauréate du prix de l'entrepreneuriat deux yeux. Donc euh, tout a commencé à deux yeux. Maintenant, je suis en stage mémoire, donc euh, c'est une fois ici au Niger pour mon stage que j'avais pu postuler euh, au concours du African Roofing Awards que le Land of Africa Business organise. Donc je me suis préparée et une fois à Paris, vraiment, j'ai eu à faire une découverte assez enrichissante en diversité parce que plusieurs euh, jeunes Africains de divers horizons étaient là et tous étaient motivés par ce développement concret encore dans ce monde. Votre projet, le Jassi Green, il touche un épineux problème euh, ici au Niger est le phénomène de la jacinthe d'eau. Alors il s'agit de quoi concrètement Comment vous l'exécutez Il intervient dans quoi exactement ce projet euh, Mon projet touche plus précisément la jacinthe d'eau qui est influente assez grand, je dirais, si on peut se permettre de dire qu'on ne peut pas éradiquer cette jacinthe d'eau parce que c'est une plante envahissante et a une physiologie un peu très particulière. Et nous, Jassigri, nous proposons à ce que de transformer ce fléau en opportunité. Comment le faisons en transformant cette jacinthe d'eau en engrais organique, ce qui est encore révolutionnaire le processus la production que nous avons créé nous permet dans un second temps de produire du biogaz qui sera valorisé en énergie électrique. Donc Jassy Green pourra résoudre plus d'un problème à la fois, celui de l'insuffisance énergétique et celui de l'agriculture écologique. Est-ce que ce projet est déjà opérationnel Ce projet n'est pas encore opérationnel, mais nous avons fait un planning en 2017. Nous serons en phase de prototype et D'ici fin 2017, euh, selon notre programme, euh, ce serait opérationnel et tout au long, nous sommes en train de faire une levée de fonds pour pouvoir euh, avoir beaucoup de financements nous permettant vraiment que ce projet voit le jour. Effectivement, avez-vous déjà bénéficié d'une aide pour l'opérationnalisation de ce projet Pour le moment, la seule aide que j'ai pu recevoir concernant le projet Jassigim, ce fut à deux yeux le prix de l'entrepreneuriat que j'avais gagné et aussi en même temps le prix du projet ayant le meilleur impact environnemental et social. Donc, ces prix que j'avais gagnés, je les ai consacrés uniquement pour euh, pouvoir encore mieux développer ce, projet. Très bientôt, nous ferons des levées de fonds et aussi grâce aux African Refugee Awards, nous avons eu à rencontrer plusieurs partenaires qui sont partants pour investir dans ce projet parce que ce projet interpelle tout le monde. Comme vous venez de le dire, il interpelle tout le monde et que ça porte sur un sujet assez épineux ici au Niger, la jacinthe d'eau. Donc quel apport ce projet compte apporter à ce problème épineux de la jacinthe d'eau au Niger Jassy Green compte vraiment résoudre le problème d'une manière très durable parce que dans les 20 années en arrière, on fait un feedback il y en a eu beaucoup de projets qui ont traité de la jacinthe d'eau. Donc c'est au vu de ce constat que j'avais moi-même fait et je me suis dit pourquoi ces projets n'ont pas marché jusqu'à ce jour. Alors j'ai vu qu'il y avait une faille dans le modèle économique. Donc c'est en ce sens-là que j'ai révolutionné la manière d'appréhender ce problème de la jacinthe d'eau. Et donc, nous espérons vraiment que Jassy Green est la solution durable qu'il faut pour euh, en finir avec cette jacinthe. Alors, comment comptez-vous donc rendre durable votre projet Jassy Green Nous allons vraiment inclure toute la population parce que ce qui fait que les, les projets ont toujours des failles, c'est l'environnement. Euh, si vraiment on écarte les gens d'un projet, ils ne se sentiront pas concernés directement. Pourtant, ce problème nous concerne tous parce qu'il s'agit des ressources naturelles. Elles n'ont pas de propriétaire, donc ça appartient à tout le monde. Donc, euh, pour vraiment rendre Jassy Green durable, nous comptons vraiment inclure tout le monde du plus bas au haut niveau. Parce qu'on parle toujours de développement durable. Un développement qui tient compte de la génération présente sans compromettre celle du futur. Il ne faut pas qu'on se lève un beau jour et que nos petits-enfants nous demandent il existait le fleuve Niger avant donc euh, ça, ce serait paradoxal. C'est dans ce sens que nous allons tout mettre en œuvre pour euh, vraiment que Jassigrin soit le projet durable pour euh, l'éradication de la Alors, euh, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette question d'environnement Je me dis qu'il n'y a pas d'âge pour euh, commencer à faire euh, changer les choses. Ce qui me motive vraiment à m'intéresser, c'est plus qu'une passion pour moi, l'environnement, je dirais. Donc, du coup, le message que je fais passer, c'est vraiment de se réveiller et que cet environnement que nous négligeons risque de nous coûter très cher à l'avenir. Est-ce que vous avez d'autres compétitions en vue Très prochainement, nous allons participer à la conférence des jeunes sur les changements climatiques au Togo, plus précisément à Lomé, où il s'agira de présenter notre projet à la foire à projet. Et on souhaite vraiment être récipiendaire parce que ce projet est, je ne sais pas, si vaste que même moi, j'arrive pas à délimiter où est-ce qu'il peut aller. La COP22, la conférence sur le changement climatique, se tiendra à Marrakech et le Niger prendra part à cette rencontre. Alors en tant que jeune qui émerge dans le domaine de l'environnement, quelle est ta vision de cette euh, COP22 et quelles sont tes attentes par rapport à cette rencontre internationale La COP22, pour moi, vraiment, elle est d'un enjeu capital parce que nous avons eu à le voir tout au long de la COP21 passée et aussi de la ratification par des États vraiment les, plus grands pollueurs qui ont pu ratifier ce traité. Vraiment, ça veut dire que c'est un grand pas en avant vers la protection de l'environnement. Et aussi, je, je souhaite vraiment que les négociations soient à l'avenir vraiment plus concrètes comme ils l'ont dit, ça doit être plus contraignant. Le mot contraignant vraiment dit est trop lourd pour nos dirigeants parce que pour eux, ça veut dire c'est mettre un point sur euh, le développement. Pourtant, moi, je me dis que on peut se développer à base des ressources naturelles, comme le fait Jassy Green. On n'avait pas besoin de mobiliser des ressources fossiles ou quoi d'autre. Rien qu'avec les ressources naturelles, nous pouvons développer nos pays. Donc c'est ça ma, ma vision et aussi j'espère que cette COP22 vraiment sera contraignant et faire voir à nos dirigeants que il y a d'autres alternatives qui sont là. Le mot de fin. C'est surtout à l'endroit des dirigeants et aussi des jeunes. Il est grand temps que les dirigeants puissent euh, nous comprendre, nous les jeunes. Parce que c'est cette jeunesse, euh, c'est elle qui, qui est la relève. Et elle doit être d'abord consciente, cette jeunesse. Ne te demande pas ce que ton pays pourrait faire pour toi, mais toi, qu'est-ce que tu pourrais apporter Aujourd'hui, rien qu'en buvant de l'eau, si tu mets le seul sachet d'eau là dans une poubelle, c'est une grande chose que tu as fait pour ton pays. Donc, ah, c'est le changement vraiment global qu'il nous faut dans notre pays, le Niger. Merci Mariam. merci aussi à vous. Nous abordons à présent le deuxième chapitre de ce forum qui porte sur les élections présidentielles aux États-Unis. Ce mardi, c'est jour d'élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique, deux candidats sont en lice. Il s'agit de la démocrate Hillary Clinton et du républicain Donald Trump. Dans quelques heures, peut-être demain matin, les Américains connaîtront leur futur président, celui ou celle qui succédera au président sortant Barack Obama. Notre reporter Moutari Mahamadou a promené son micro dans la ville pour recueillir les avis des citoyens sur ces élections. Après huit ans au pouvoir, Barack Obama avait été consacré donc à la présidence des États-Unis. Effectivement, les Africains attendaient qu'il allait faire beaucoup de choses, euh, et surtout principalement même à son pays original, le Kenya. Mais malheureusement, après, juste après sa visite, rien que de euh, frustration qu'il avait amené en Afrique, je ne pense pas qu'il avait un bilan satisfaisant par rapport à son aussi au gouvernement. Les deux candidats, Hillary Clinton et Trump, bon, tous deux, nous avons appris par le média américain que ce sont des candidats impopulaires. Bon, c'est vrai que Clinton, quand vous remarquez, euh, c'est elle qui est un peu la populaire donc aux États-Unis et c'est elle que le président actuel encore soutient. Donc euh, je pense bien que ces élections vont passer en faveur de Hillary. Après autant au pouvoir, ce que je pouvais retenir consiste uniquement à dire que les États-Unis ont une autre réalité plus qu'on les pense, parce que considéré comme étant la superpuissance, d'avoir jamais contesté depuis courant les années 14 jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis est un pays qui, comme son nom l'indique, défend uniquement de l'impérialisme. Et s'il faut faire le bilan de gestion de Barack Obama, tel que les États africains ou les États tiers-monde l'ont pensé, elle a défendu uniquement les intérêts des États-Unis. À mon avis, elle n'a rien fait pour l'Afrique, pour avoir contribué à la chute du grand baobab de l'Afrique, à l'occurrence Monara et al Donc, à mon avis, elle n'a rien fait. Démocrate républicain, à mon avis, c'est là et une même chose en fait. Parce que tout, il consiste uniquement où ils mêlent tous pour conquérir le pouvoir et faire promouvoir leur idéologie, non seulement aux États-Unis, mais aussi et surtout sur le monde entier. Pendant huit ans, on a assisté à une gestion pour la première fois, un noir était au trône. Donc moi, j'estime que le bilan de Barack Obama était un bilan satisfaisant. Ce qui m'amène d'ailleurs peut-être à justifier ou bien à aimer ce bilan combien de fois, c'est parce que eu égard à la gestion chaotique et calamiteuse dont Bush avait fait cas, en craint en tout cas des piscoses ou bien en craint des scènes de guerre partout dans le monde. Et justement, en tout cas, jour J-1, comme on l'a dit, demain, Inch'Allah, on va assister à l'élection aux États-Unis. Mais moi, je me dis, avant-hier, c'était un écart de deux et il, il s'est avéré que ça restait juste jusqu'à des États. Mais moi, je me dis que voilà, peut-être mes impressions, je me dis que je m'en vais plaider, ou bien je m'en vais en tout cas prier pour que Hillary Clinton soit consacrée. Sans nier cette piscose que compte mener une fois Hillary Clinton consacrée par ces 3% de milices qui est localisée en Géorgie, qui compte en tout cas troubler ou bien créer pour la première fois une rébellion aux États-Unis. Franchement, si ça dépendait de moi, moi je pense que Hillary Clinton doit être intronisée au plus haut sommet en tout cas de la puissance. Nous disons que le bilan de Barack Obama est satisfaisant, bien qu'il y ait certaines difficultés qui les caractérisent. Quand on regarde depuis l'avènement de Obama au pouvoir, les Africains se sont dit que maintenant c'est un Africain qui est aux échelons de l'État, donc c'est lui qui va essayer de nous apporter des changements au sein de nos pays, qui va essayer de remédier beaucoup de problèmes, surtout les problèmes d'insécurité, les problèmes de crise politique et crise sociale de différents ordres. Mais en réalité, avec Obama, nous avions observé un mimétisme politique. En tant que président des États-Unis, il avait la possibilité d'apporter des changements aux pays africains. Mais quand on regarde au fond, il n'a rien fait pour l'Afrique. Et quel bilan peut-on faire du mandat de Barack Obama en matière de coopération avec l'Afrique Gungu Mahamman Dantani a posé la question au politologue nigérien les Agi. On l'écoute. Nous n'avons pas vu, en tout cas, pendant les huit années passées par Obama, voir des changements notables dans la vie des Africains en tant que tel. Donc le développement social, lui, il n'y a pas eu d'investissements sociaux lourds, il n'y a pas eu de projet très performant pour pouvoir élever donc le niveau de vie des Africains en tant que tel. Il peut y avoir quelques mini-projets sur euh, des domaines euh, sensibles. Vraiment, n'a pas même cette euh, politique sociale-là qui pourrait aider donc les Africains à ce que leur niveau de vie soit élevé en tant que tel du point de vue sécuritaire, en Afrique, il n'a pas pu étendre beaucoup de foyers de tension. Donc il laisse, si vous voulez, un héritage très lourd, notamment en Libye, où la question donc, de la guerre est tout à fait encore euh, prégnante. Il y a une instabilité politique euh, dans beaucoup de pays africains. Euh, vous voyez le Mali, les États n'ont pas fait grand-chose. La Libye a été bouleversée de fond en comble. Vous voyez la Somalie, c'est un foyer également de tension. La question sécuritaire n'a pas été résolue non plus avec euh, donc la montée de l'islamisme radicaux ici et là. Également aussi la question de la gouvernance politique dans les pays africains. On a vu que sous Obama, beaucoup de présidents africains ont prolongé leur mandat illégalement. Beaucoup de pays africains dans la gouvernance politique n'ont pas été suivis. peut-être ils n'ont pas pu faire grand-chose pour appeler cela. Donc il n'y a pas, en tant que ça, à mon avis, bilan qu'on peut dresser positivement pour Obama en tant que tel. Il y a eu quelques discours d'Obama, notamment en Afrique de l'Ouest, sur euh, la force des institutions par rapport à la gouvernance politique. On ne peut pas donc, euh, dans l'ensemble, chercher les points, disons, forts, pour montrer Obama a fait quelque chose pour l'Afrique. Pas parce qu'il est africain d'origine que forcément il va pouvoir performer ou changer l'Afrique. Il n'y a pas de grande mutation socio-économique euh, en Afrique. Les problèmes euh, sociaux et médicaux sont toujours présents euh, en Afrique. La question de la sécurité et de la paix en Afrique non plus n'a pas été résolue. Donc je pense que ce sont les deux points importants qu'on pourrait voir. Ce n'est pas étonnant. Je pense que s'il y a quelque chose qu'on peut mettre donc au crédit de gouvernement, c'est peut-être pour dire qu'il a insufflé une sorte d'espoir, d'espérance dans la jeunesse africaine pour qu'eux-mêmes puissent euh, montrer que les jeunes africains peuvent euh, prendre des initiatives fortes pour pouvoir eux-mêmes euh, décider, pour changer le monde, pour ne pas compter sur autrui, sur soi même pour que les choses changent. Il y une Clinton, qui a été artisan dans la guerre en Libye, c'est une des femmes politiques qui était prête pour euh, que la guerre soit menée en Libye contre Gaddafi. On a vu comment la Libye a été bouleversée. Elle non plus n'est pas à mesure de pouvoir changer de la dimension de la paix et de la sécurité en Afrique c'est une femme très belliqueuse, donc je ne peut pas apporter sa stabilité politique en Afrique. Également aussi, Donald Trump, <laughs> également, c'est encore pire, c'est une personne qui a un sentiment tout à fait négatif, ne peut pas non plus apporter des changements profonds en Afrique. je pense que les deux ne peuvent pas changer le monde en tant que tel, en tout cas l'Afrique. Toujours à propos du bilan des mandats d'Obama en matière de coopération avec l'Afrique, écoutons à présent Seydou Abdoulaye. Il est le président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement Répanda au micro de Tou Ibrahim Gadou. C'est vrai, l'avènement de avait suscité tant d'espoir pour un monde juste, sans conflit et plus humanisé. Mais aujourd'hui, après quatre ans de mandat, il est triste de remarquer que aucun changement dans ce sens-là. malheureusement, euh, l'espoir que Obama a suscité n'a pas été au rendez-vous parce que aujourd'hui, tout comme avant son avènement, le monde est meurtri par des conflits, et des conflits plus ou moins entretenus par les puissances occidentales. Et aujourd'hui, quand vous regardez, Obama était resté tout petit, s'est laissé instrumentaliser par euh, Nicolas Sarkozy pour euh, envahir n'est-ce pas, un pays africain, notamment la Libye. Aujourd'hui, je pense que c'est l'une des grandes déceptions que personnellement je tiens de l'attitude de Barack Obama. Et aujourd'hui, malgré son discours phare de dire que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes, on a constaté que tout comme euh, la France, les États-Unis est resté guidé par ses propres intérêts. On tire vos oreilles en fonction de votre capacité à vous soumettre. On regarde euh, les États-Unis qui se disent attachés au principe de non-ingérence, être euh, s'ingérer assez trop dans certains pays et de l'autre côté dans d'autres pays où vous avez beaucoup plus de soucis de démocratie et de problèmes de gouvernance démocratique, les États-Unis fermaient les yeux totalement. Regardez quand aujourd'hui les États-Unis, parce que l'une des attentes fortes des peuples africains et des défenseurs des droits humains, c'était de voir, avec l'avènement de Obama, le problème palestinien résolu. Mais malheureusement, aujourd'hui, comme il y a une décennie, ce peuple reste meurtri sous le regard impuissant, sinon complice, des États-Unis, alors qu'on prêche et on prétend défendre euh, les valeurs de la démocratie, c'est-à-dire les droits sociaux, économiques euh, et politiques, civils et politiques de tous les citoyens du monde. L'autre aspect, et je pense l'autre euh, acteur coupable de cet état de fait, c'est nous autres, citoyens qui aujourd'hui de plus en plus, en tout cas, perd les valeurs de notre citoyenneté, qui laisse nos dirigeants nous voler notre souveraineté et nous diriger comme ils veulent et être à leur propre service et non au service euh, du peuple. Aujourd'hui, malheureusement, on a constaté que la fonction politique, n'est-ce pas, vous donne droit à l'impunité, à l'opulence, à être au-dessus de la loi et vous donne le droit de martyriser et de baïonner votre peuple. Malheureusement, c'est à cela qu'on constate et je pense qu'il y a lieu, en tant que citoyen, qu'on se dise qu'on a un devoir de conscience de se réveiller véritablement pour arrêter cette descente aux enfers de nos États et de dire que le retour à nos valeurs panafricaines est la seule, en tout cas, issue pour nous de vivre digne, de vivre heureux et de développer nos États. Comment faut-il se réveiller Par d'abord la prise de conscience. C'est dire que personne ne viendra nous sauver. Personne ne viendra nous sortir de nos problèmes. C'est d'abord à nous de prendre conscience que ces problèmes-là, ce n'est pas une fatalité, que nous avons à nous battre, nous avons à nous lever et c'est à nous, n'est-ce pas, d'imposer d'abord de changer de comportement et d'imposer un comportement en nos gouvernants. Parce que si nous sommes dans un État, nous sommes régis par des textes, des lois et des règlements. Et ces lois valent pour tout le monde. Il n'y a pas de sous-hommes, il n'y a pas de sous-citoyens et de super-citoyens. Et ça, il faut qu'on le rappelle à chaque instant que Dieu fait à tout celui qui a une petite portion de pouvoir et lui imposer, n'est-ce pas, ce que commandent ces valeurs et ses lois et ces règlements. Revenons à la Libye. Malgré tout, les États-Unis sont intervenus. Comment voyez-vous cela Cela d'abord a consisté, n'est-ce pas, à violer la souveraineté d'un État souverain, que la Libye, mais aussi à anéantir les espoirs de tout un continent, que celui de l'Afrique, parce que Kadhafi avait donné la preuve que le modèle occidental, qui était enchanté, n'est pas le meilleur modèle pour l'Afrique. Il a réussi à travers euh, sa révolution verte, n'est-ce pas, à montrer que un État africain peut se développer avec ses propres capacités, avec ses propres ressources, pour communiquer avec vos parents et rester sans manger. Et le coût était exorbitant. Kadhafi ayant vu cela, il a réfléchi à la mise en place d'un dispositif pour que sous le principe de produire en Afrique, transformer en Afrique, consommer en Afrique, donc de rendre accessible la communication à tous les citoyens africains et à faible coût. dernière partie de ce forum, nous parlerons de la journée internationale de l'écrivain africain célébrée hier à 7 novembre, une journée consacrée pour les efforts des écrivains, mais ici au Niger, elle est passée presque inaperçue selon Amadou Lampo. Il est écrivain, auteur et metteur en scène. Il nous explique néanmoins ce que cette journée représente pour eux et les problèmes auxquels ils font face au Niger. J'ai l'impression que quand on commence à faire des journées, c'est qu'il y a des problèmes. En tout cas, au Niger, c'est flagrant. C'est-à-dire que cette journée est passée, je pense, euh, peut-être dans les médias, mais pas au niveau des écrivains. Peut-être parce qu'il y a, à mon avis, trop d'associations, euh, mais des associations léthargiques. C'est-à-dire, on n'a pas un grand forum, une grande association dans laquelle tous se retrouvent, quoi. Mais je sais qu'il y en a plusieurs petites associations à gauche, à droite, et puis bon, si on se voit, euh, on se connaît de nom parfois, mais sans vraiment se fréquenter. Donc, euh, pour vous dire que cette journée, peut-être que si ça a le but de, de, faire en sorte que les gens se retrouvent et que les gens échangent et qu'on essaie d'avancer dans le métier, oui, ça, peut être une bonne journée. Mais je crois que cette première journée, en tout cas, au Niger, c'est passé inaperçu, en tout cas à mon niveau. Je ne pense pas que les autres aussi aient organisé quoi que ce soit pour cette journée-là. Vous avez effleuré un problème, le fait que euh, ici au Niger, il n'y ait pas, ou bien il n'existe pas d'association d'écrivains qui soit active. Où se situe le problème Moi, je vois euh, un peu plusieurs problèmes. Peut-être parce que l'écriture est déjà une aventure individuelle, généralement. Généralement, les gens se mettent dans leur coin, ils écrivent leurs livres, ils éditent euh, un peu dans leur coin. Et puis, c'est dans l'anonymat général. Au Niger, les gens ne lisent pas beaucoup. C'est un truisme de le lire. En plus, euh, je crois que vu la situation de, du pays, les gens ne sont pas prêts à mettre de l'argent dans nos livres. Parce que par exemple, euh, un livre publié à l'international, c'est un peu plus de 10 euros. Le mien, par exemple, coûte 12 euros. 12 euros, ça veut dire 8000 euh, francs. Alors quand vous demandez à quelqu'un aujourd'hui d'acheter un livre, à 8000 francs, il, il, réfléchit à deux fois avant de le faire. Peut-être que c'est des situations économiques qui veulent ça, mais généralement, il y a un autre problème aussi, c'est que les gens, parfois, c'est par habitude, je dirais, de chez nous, que quand vous faites un livre, tout le monde pense que vous en avez tellement, vous en avez des cartons à la maison que vous pouvez distribuer à tout le monde. Or, euh, les éditions de format comme ça, vous avez quelques exemplaires qu'ils vous offrent, mais le reste, vous achetez. Alors, qu'est-ce que être un écrivain africain et surtout nigérien Moi, je pense, euh, en tout cas, si on écrit, c'est qu'on a quelque chose à dire. On n'écrit pas juste pour raconter des blagues, même si c'est des blagues aussi, c'est écrit. Mais je dis, on écrit parce qu'on a des choses sur le cœur, on a des choses à, faire connaître. Donc, je pense que aujourd'hui, écrire en tant que Nigérien, en tant qu'écrivain, à mon avis, ça ne peut être que dénoncer. Ça ne peut que dire ce qui ne va pas parce qu'on ne peut pas circuler, on vous suffit de sortir devant sa maison, il suffit de circuler dans la ville, on sait qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas. Donc l'idée, c'est vraiment de, de, pousser les gens à une prise de conscience. Je crois que c'est obligatoire, on est dans cette obligation de lutte permanente, même si on a peut-être de temps en temps, on écrit des choses qui nous plaisent euh, comme ça, parce que c'est parce que c'est juste pour s'amuser, si, si vous voulez, mais foncièrement, un écrivain chez nous, et même en Afrique, il est foncièrement engagé. Pour moi, c'est forcément dans cette lutte-là qu'il faut se mettre. Vous particulièrement, sur quoi portent vos écrits Moi, je suis euh, un homme plutôt du théâtre. En tout cas, toutes les pièces que j'ai écrites euh, traitent de ce que moi j'appelle les indépendances démocratiques. C'est-à-dire, nous sommes dans une situation où on est indépendant, peut-être, euh, on est démocratique, peut-être, euh, on a des fonctionnements bizarres par rapport aux règles qui se passent. Donc, nous, dans nos pièces, on essaie un peu d'attaquer surtout ce phénomène-là. Il y a des pistes historiques aussi. Par exemple, moi, j'étais prof au Cassey et moi, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Kassei, la sœur de l'empereur, juste pour que les élèves comprennent qui est cassé Au lycée cassé mais ça savent ce que c'est que Et c'est une façon aussi de parler de Kasséi parce que tout le monde connaît Sonia Libert sans connaître Kasséi. Donc pour moi, c'était dans ce but-là. D'abord, euh, c'est une belle figure féminine que j'ai essayé de mettre en avant. Ça permet aux gens de connaître historiquement le, problème. Donc la deuxième pièce qu'il y a dans mon livre, ça s'appelle Camion People. Ça parle de ces jeunes qui pensent que la vie se trouve en Occident parce qu'il y a trop de problèmes justement chez nous. Voilà, donc euh, c'était pour euh, un peu parler de ce phénomène assez compliqué aussi. Des problèmes, on sait que ça ne manque pas. Les écrivains, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés On sait qu'il y a plusieurs aspects, l'aspect écrit déjà, il y a l'aspect aussi édition et puis l'aspect vente. Quels sont les problèmes en tant que tels auxquels ils sont confrontés En tout cas, c'est des gros problèmes. Des gros problèmes d'abord sur euh, déjà édition. Je crois qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont écrit, qui ont des manuscrits dans les tiroirs, qui ont des manuscrits sur des tables, mais ils ne savent pas comment faire. Mais qu'est-ce qui les bloque C'est parce qu'il n'y a pas de médium d'édition ici même s'il y en a, les gens sont de bonne volonté, mais il n'y a pas de structure pour que le livre aille où il doit aller. Moi, par exemple, j'ai fait une édition locale, mais je sais que j'ai les livres à la maison. C'est-à-dire, c'est et dans la présentation et dans le circuit. Quand vous êtes édité localement, vous, vous n'êtes pas connu à l'étranger. Vous n'êtes pas vendu à l'étranger, vous n'êtes pas vu à l'étranger. C'est pas qu'on ait foncièrement envie d'être à l'étranger, mais ici, je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les gens n'achètent pas les livres. Donc, quand vous voulez vivre du métier, mais ce n'est pas mon cas, bien heureusement, parce que j'ai un autre métier, c'est que vous écrivez, mais il faut que vous soyez connu, que vous viviez de votre Mais ici, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, localement, ce n'est pas possible. Eux-mêmes, il faut que ces maisons-là soient soutenues pour pouvoir faire les livres de bonne qualité. Je crois que, à mon avis, et ce que je vois localement, c'est pas mal, mais ce n'est pas euh, au niveau dans les critères internationaux encore. Pour le moment, il y, a, quelques maisons de euh, mais je, crois qu'il y a ce, gros problème-là. Parfois, le, problème, c'est aussi au niveau de nous-mêmes. Comment on dit, nul n'est dans en son pays. Les gens préfèrent lire euh, les autres que de lire ce qu'il y a chez nous. Mais même dans les programmes d'enseignement, ce qui est dramatique, il n'y a pas de livre nigérien. À l'université, il y en a quand même. Mais dans nos œuvres même, vous verrez rarement un livre d'un auteur nigérien qui est au programme. Je sais que j'ai entendu parler d'un programme d'achat de livres des écrivains nigériens pour les amener dans toutes les écoles du Niger. Parce que le Niger, c'est pas seulement Niamey. Quand je dis ça, euh, les gens vont dire oui, on a vu, on a vu, mais ça reste dans le microscope de Niamey. Mais quand on va euh, à l'intérieur du pays, très loin, euh, là, les gens ne connaissent pas les livres nigériens. Mais ce que nous avons dans nos bibliothèques, c'est des livres donnés par la coopération française, allemande, par les autres qui nous donnent donc les quantités de livres que, bon, comme puisqu'il y en a, ça va partout. Mais les nôtres, puisqu'il faut les acheter, parfois il y a des difficultés pour que ça arrive au niveau de tout le monde. Donc il y a un gros problème, que ce soit au niveau structurel, c'est-à-dire au niveau des éditions locales, et que ce soit au niveau politique, parce que euh, les, populations ne pouvant pas acheter les livres, l'État quand même doit faire un effort pour que les livres soient subventionnés à l'étranger. Donc si on comprend bien, l'écrit ne nourrit pas son homme ici au Niger. Je pense que euh, peut-être qu'il y en a très peu, je ne sais pas. Peut-être les aînés hein, qui ont quand même euh, écrit beaucoup, mais je crois que Boubama est connu maintenant presque partout. En tout cas, ceux qui m'entourent, je ne pense pas que qu'ils prendront le risque de dire qu'ils vont vivre de leurs écrits. En tout cas, pour le moment, non. Donc comment il remédier, selon vous, à ces problèmes D'abord, que les livres soient achetés par, par le politique, pour que ça aille dans les écoles. Il faut que nous ayons de vraies maisons d'édition ici. Parce que quand je vous dis qu'un livre coûte 8000 francs CFA, je comprends aisément qu'un père de famille ou un, Nigérien moyen réfléchisse à deux fois avant de sortir 8000 pour acheter un livre. Si, par exemple, ces livres-là pouvaient être subventionnés par l'État, si l'État pouvait les acheter pour pouvoir les vendre peut-être un peu moins cher, ça c'est peut-être possible. Ça se fait dans beaucoup de pays. Peut-être que ça aurait pu se faire ici. On constate de nos jours une véritable démotivation des jeunes pour la lecture des livres ici au Niger. Selon vous, qu'est-ce qui expliquerait cet état de fait Il faut les intéresser aux livres. Par exemple, je sais que dans le programme d'enseignement nigérien, à l'époque, ça n'a pas changé. Normalement, ça doit exister. Il y a une obligation pour un professeur de français, par exemple, d'étudier trois œuvres intégrales. C'est-à-dire, vous prenez un roman africain, un roman français ou n'importe lequel. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être tout ce que vous voulez. En tout cas, par trimestre, vous devez étudier un livre. Les élèves sont obligés pendant trois mois tous de lire ce livre parce que vous avez des exposés à faire, vous avez des devoirs à faire sur ce livre-là. Dans l'année, dans une classe de seconde, de première ou même de terminale, l'élève a la chance de lire au moins trois livres. Il est obligé de toute façon de les lire. Donc, en les lisant, le goût vient. Donc il y a tout un travail académique à faire autour du livre. Il se trouve que maintenant, il n'y a plus de moyens dans nos écoles d'avoir des livres. Les livres ont disparu. Il n'y a pas d'émission non plus. Quand vous regardez les chaînes euh, internationales, il y a toujours une émission culturelle où un écrivain vient avec son livre. Il y a une culture parce que le père a lu, la mère a lu, l'enfant voit et lit. Ici, puisque les parents ne lisent pas, les parents n'ont pas les moyens peut-être d'acheter, parce qu'ils n'ont pas envie peut-être d'acheter le livre, les enfants ne vivent pas avec la culture du livre. Il y a des livres, il y a des sites où on peut trouver des livres intéressant. C'est pas tout qui est bien, mais on peut trouver des livres. Tout est une question de la base. Si à la base vous avez envie de lire, si à la base on vous apprend à lire, vous trouverez partout dans les sites pour lire. Mais quand on va sur les sites juste pour aller sur Facebook, c'est pas mal Facebook, hein, mais bon, si ça devient l'activité principale, c'est lamentable. Nous, on continuera à écrire, hein. Moi, mon plaisir, c'est que je sais qu'il y a des jeunes écrivains qui arrivent. Il y en a vraiment de grands talents. Et je sais qu'il y a des associations qui naissent, qui, qui sont en train de peut-être faire quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que bon, il faut peut-être qu'il y ait cette foison-là d'activité pour que les gens, à un moment, se disent, bon, écoutez, stop, on, revient, on quelque chose ensemble. Pour le moment, je pense que nous sommes en léthargie, mais on écrit, on essaie de se battre. Je pense que bon, c'est à l'image de, tous les combats, ça va être dur, mais bon, on espère avoir euh, un grand écrivain qui va émerger à l'international et puis ça va peut-être euh, motiver tout le reste. Merci, monsieur. Merci à vous. Comme l'a dit euh, plus haut M. Amadou Lampo, ici au Niger, les écrivains sont confrontés à une difficulté qui est l'édition. Ibrahim Manzo, lui, est un jeune écrivain à Nerba qui vit à Agadez. Il nous parle ici de ses débuts tout en déplorant le manque de maisons d'édition adéquates au Niger. Il a été joint au téléphone ce matin. Depuis ma tendre enfance, j'ai commencé à griffonner des petits poèmes depuis pratiquement le collège, j'écrivais des petits contes. Ce qui m'a motivé, c'est cette envie folle d'extérioriser ce que j'ai sur le cœur, de dire euh, à travers euh, l'écriture ce que je ressens, mon ressenti à moi d'abord, oui, et après euh, ce que je vois autour de moi. J'avais toujours eu envie de le dire, à travers les mots, de les dire à travers euh, Parlez-nous d'une de vos œuvres que vous avez eu à produire. mon dernier roman s'intitule Unzad ou le destin de Daïcha. C'est un livre euh, qui nous plonge euh, dans l'intimité de la culture nomade, euh, notamment Touareg du Nord Niger. Et c'est un livre qui va vraiment dans le sens de crier dire non à la perte d'un instrument de valeur chez les Touaregs nomades, c'est-à-dire la perte de l'imdad, le violon monocorde. J'ai parlé à travers ce roman euh, de la douleur qui m'habite de voir cet instrument qui a toujours été le véhicule des valeurs ancestrales chez les nomades Touaregs eh, mais aujourd'hui, cet instrument eh, est devenu euh, pratiquement absent. Et c'est un roman qui, qui a beaucoup plu au Premier ministre du Niger, Birgit Rassini, qui a même bien voulu le préfacer. Et c'est un livre qui a été tiré à 1000 exemplaires Actuellement, au moment où je vous parle, je n'ai aucun exemplaire à, réserve, cest ça a été vendu. L'une des principales difficultés de l'écrivain africain et nigérien surtout, c'est l'édition. Comment vous, jeune écrivain, vous vivez cela et l'édition est très difficile au Niger pour les écrivains en Pour ceux qui veulent euh, faire cette activité un métier, c'est très difficile. J'ai commencé pratiquement à écrire euh, depuis mon jeune âge, comme je le disais. Mais je vous assure, euh, pour pouvoir éditer mon premier écrit de poème, il a fallu que je me saigne aux quatre Il a fallu que je dérange ma famille pour qu'on puisse m'aider pour aller payer une impression pratiquement la seule édition que j'ai eue, ça a été le livre euh, ou les de Gaïcha, qui a été édité par euh, Afrique une maison d'édition qui a aimé. C'est un brave euh, compatriote euh, qui m'a aidé à travers euh, cette maison d'édition à éditer ce livre. Vraiment, il nous a aidé à le faire gratuitement parce qu'il il a cru au roman qui se présentait. Donc, il nous a aidé. C'est pas facile au Niger d'avoir une édition. C'est pas facile pour les jeunes de Pourquoi c'est pas facile Parce que d'abord, s'il n'y a pas de maison d'édition, c'est que il n'y a pas du tout une bonne politique de l'État dans ce domaine. Il faut que l'État du Niger aide les maisons d'édition aide à l'émergence de ces maisons d'édition. Il faut qu'il les aide à soutenir le coût des éditions. C'est-à-dire, il faut qu'on pense, par exemple, à détaxer certains produits qui utilisent euh, ces maisons d'édition pour que ces dernières aident à leur tour c'est très difficile euh, pour un jeune éditeur euh, de faire carrière dans le domaine parce que il doit faire face à beaucoup de charges. Si se faire euh, éditer ici est difficile, alors vous n'avez d'autre recours que d'aller dans des maisons d'édition à l'étranger. Là aussi, on sait que c'est pas facile. Franchement, moi, je n'ai jamais voulu me faire éditer ailleurs. Pourquoi Parce que je suis d'abord le produit de chez moi. Je voudrais c'est ici que prend fin ce forum de ce jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.